ils n'ont pas le choix, ils boivent cette eau et voilà. Après, on découle toutes les maladies, que vous pouvez imaginer, surtout pour les gamins, la bilargiose, tout ça, ça vient de ça. min jiɗi sardinŋaji min jiɗi kala kala minenne aduna o min mbayitan kono sokaɓin ala fof ko meeɗi ɗo yottade kam e affaire tan balle ɗum fo min keɓata ko ari fo tarotomi yallah waɗi asoɓe he barke waɗa eko fagga ko fo bar min ñaguima allah kay moƴƴere kala mona waɗa kay moƴƴere aduna yo allah waɗi mum moƴƴere salamu aleykum wa rahmatullah ɗo min jogui tan ko caɗele ndiyam min jogui caɗele ndiyam no fewi caɗele ndiyam so min galar min jari saka jawdi ndi kala do min min so toɓat tan min ɗumino wa so ndiyam beeli hori min gasata ko bulli min jara hen so ɗum ni kankari ko dom karan tan hande allah do tobo fu dum tan so toɓino bulli ɓullino sa asi so tobi so ndiyam yani hen tan wamat fusa hela eh ko dum do min jiiɗi wallede somin ballama e ɗum dum do ɗum ɗo woni ko min garan tampi no tampi tampi ay do joni ko ɗo min jarori mone dawa to fof nawa bido muɗum lowo hen ndiyam artira yara eyyi ɗo kam an kadi natti ndiyam wonti mbok ko njaram nganumo wasde jogade ko ko jaram ko kono wona ndiyam moƴƴam eyi kawar kala inchallah somin dawa joni moƴƴani moƴƴani ndiyam ɗam e problem ko reedu eh, joni joni fof reedu eh. muusan wona e harlaade taw fo ko ɗum fuf do joni ko mami payade wuro tan min jey min bido bidoŋaji min bade hendi min gadda min gaddi ko dum woni ko min jarata wala min mbaɗira ay wa ko dum tan dum do ko yare seeɗa sa ki ko jarda jara sa dañi ko jarda goppa do so wonani wupri ay fof fof ko do fof ko do fof a yara do guppa do lotoda do ko ngano bamɗi hen pucciɓe fof gueloɗe bamɗe ko ɓayi toon fof ko hatta on est là dans ce village de Gorel Asset mais comme vous pouvez le voir euh, Ce village est très enclavé. On est à plus de 600 km de Dakar et on a traversé le fleuve et faire plus de 20 km de piste pour arriver là. Et comme vous voyez euh, sur la vidéo, ça c'est des villages où l'eau manque grave, mais c'est des sentiers, des sentiers très très difficiles à gérer, parce qu'à distance, tu ne peux pas trop gérer les, le puisatier, gérer l'acheminement du matériel, ce qui fait que souvent on a des retards par rapport aux vidéos, par rapport à, des retours qu'on doit faire aux donateurs. Mais ce n'est pas parce qu'on est paresseux ou parce qu'on n'a on a pas le temps pour ça. Si on a le temps, mais souvent le problème c'est ça. C'est des villages très enclavés, tu ne peux pas tout le temps venir euh, contrôler ce qui se passe. là, on va essayer de gérer ça, mais c'est juste pour expliquer que ce n'est pas toujours évident de gérer ces situations. À distance, c'est très très difficile. Mais comme nous le témoignent ces gens qui habitent le village et qui souffrent du manque d'eau depuis des années, l'eau est gravement manquée ici. Et donc rien que pour ça, là, on va essayer de faire tout notre possible pour euh, euh, continuer, Inch'Allah, ce travail. gérer la amana que les donateurs nous donnent, même si c'est très très difficile par moment. là, on va essayer, on invoque Allah qu'il nous facilite ces choses. Mais donc, comme vous pouvez le voir, c'est ça la situation. Ça, c'est un des facteurs qui font que les retours sont pas, ne vous arrivent pas au, temps voulu. Donc comprenez ces situations, comprenez que c'est très très difficile de, gérer ces, gens-là. Assalamu alaikum wa Eh, min gonde caɗele ndiyam de ndiyam ɗam de fof tampini min eyi ɗum de fof de min ɓuuri yidde ndiyam ɗam de kam ina tampini min toro eyi emin jarde bawi wuuro he kono wuuro gona ina heewi caɗele ndiya mataw noon ɗo allah waɗi neɗɗo fof wona kono noon emin gonde caɗele no fewi ndiyam ɗam kam ina tampini min min jarata koye beeli weendu wotoru heddi tene koko furdi wajuru minen kam hay saɗen min ngala saka komin giri aha so woi ndu pari tawi sardin ena heɓo emin jiɗi aha minen kam min sangko bayi ko balon min balon min sibo allah e ɓamtare gurel ngel gurel ngel ne bam ɓamtade no fewi gure de fof pirti ha heddiɗo do eh ɗum tan min jiɗi aha wallomin baliro min sibo allah yàlla yottinan ni o waaw ah, xeer bi moo tax mu yeex su du woon loolu fekk tey pare na bi ma gasee ba ma am deux dama wax waa ji ne ma yónni ay xaalis xeer bi ou bien mu indi xeer yi ñu ne ma naa xaar ma woo leen wax leen yeen léegi nag léegi démb ngeen yónni xaalis bi jot naa ko commandé na dina ñëw suba ma continuer les bi 20 jours ou bien 25 jours mu jeex comme vous pouvez le voir c'est tout là c'est là les villageois utilisent pour tout quand je dis tout ça veut dire le linge la vaisselle euh, pour boire et tout donc euh, c'est avec cette eau qu'ils font tout qu'ils font du thé qu'ils font voilà tout ce qu'ils font hein. donc voilà comme vous le voyez pas ah, comme vous le voyez là je crois qu'il n'y en a aucun de nous qui boirait, c'est tout. Donc, bismillah, on pense que, Inch'Allah, si le puits euh, euh, se termine et que nos espoirs aboutissent, Inch'Allah, qu'ils en bénéficient. Donc voilà. Cette eau-là, moi, je crois que je la prendrai même pas pour une douche. Et pourtant, ces gens-là, qui sont des êtres humains comme nous, c'est ce qu'ils boivent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, vous jugez de vous-même, il n'y a pas besoin de commentaires. Vous pouvez le voir de vous-même. Voilà. Faut qu'on arrête de se plaindre. Voilà, franchement, faut qu'on arrête. Parce que c'est tout là ah, même pour les ablutions, je ne prendrai pas. Voilà, ça se passe de commentaires, vous voyez de vous-même. chacun y collera les adjectifs qu'il voudra. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله الله